Moi watch vos zéro rendez-vous au jazz, 150 jazz, ou téléchargez l'application MyFree quel que soit votre opérateur di free Calvé. Santé à la boutique chez Meissa et Frères marché Gambi, Koloban. seen magique sourire mën ngeen ko fekk boutique cosmétique pharmacie supermarché yi le marché Sénégal Be better to remember Serena Fitness, le sport comme vous l'aimez. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Oh Royal, Yes Hotel, Dakar Almadi. Karma remercie ses partenaires, Senac Peinture, Sika gestionnaire de l'aéroport Dakar-Biesjan. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Un voyage, vacances, business, découverte, on s'occupe de tous les détails pour votre logement. Dalak Jam, l'hospitalité à l'africaine produits authentiques Belle Nubian et Françoise Bedon sont sur sunushopping.com et d'autres gammes de produits corporels pour faire de vous des thèses. Téléchargez vite l'appli mobile. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Negura Music Group, leader dans la production musicale. Ashley World, Nabu Création, Babel. Baboul Janati, Jaria Création, Jadida Couture, Iboutouré Collection, M Créa, Amani Élégance, Jean et Frères Prestige, M60, Lamar Collection, Latif Chic, Baby City, Harlem City, Bijoux à Barings, Dansera Style, Ika Look, Unicax Bijoux. Le Pop Shop Caprice Shop, Matidi. By Modou HLM, e votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.heritagecouture.net. ma defoon mujjee rëccu topp yonu caay caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëccee àdduna du baale jaru weeru yeah blue eye, def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la ma cay fanaan at lu ne jot na see xew yéen tamit gis naa ni soppeeku ngeen Ndeye Marie def na fulla ak Boris May mi ngi xaar doom Ami mi ngi sëy ki mu gën a bëgg ci àdduna am ngeen lu ngeen jot a xam ci sama dund waaye xamuleen lépp jotna tay ma len lepp li ngeen wara fateliku bi ma lay xam bi ma ma tan gisuma lu tul ba man ci yaw torajal Ame tumala Wahumaluta Bilay na pina Gamay torajal Ame tumala Dakadima dor Dima saga Dima khukhatan Jamaya hulayha Dilakha Dilakha hotel ba neex fa nga ne defuma lu tax dama dikkuma nga may toroxal xametuma la waxuma lu tax bilay noppi naa nga may toroxal xametuma la dëkk di ma door di ma saaga di ma xoxatal jàmm yow lay xaar di la xaar di la xaar come on.

baax dina fi ñëw très souvent il faut aller xam sen tata Vivi et puis bés boo décidé pour génn fi xamal ne que tu ne seras pas seul dinaa nekk sawet wet jambar lok adina. Merci, sœur. mais yaakaaruma ma am na leneen lu may mën a yóbbu ci biti am na lépp li ma soxla fii. mais Vivi àdduna bi moo la soxla te gëm naa ni di nga génn fii incha allah. الحمد لله الحمد لله bàcc man sa nijaay sa papa sax laay wax maa lay njëkk a sant léyti mii sa rakk la sama doom la benn deret lañu te wane nga ko

ñu yaakaar ne yóbbu ne ko fu gën te li wér sant na la gërëm na la ndax fa mu tëdd tedd na fa maanaam papa li nga wax ni yépp normalement amul lenn lu nga xamante ni war nañ ko ci mën a teg daanaka wax nga lépp waaye du ma di gërëm bàcc ndax lim ma defal dafa rëy abu Kébé daanu na te lépp lu nga xamante ni doon nañ ma ko tuumaal sama der set na ci wecc alhamdulilah kon bàcc jërëjëf ñoo ko bokk mën nañ dem Bismillah. tu as réussi am nga li nga bëggoon. presque de mais am na ku des fàttewu ma ko nag. ah bon. kooku dama bëgg nga fàtte ko parce que instant bi moo ci dal hôpital yi nekk ci diggante dund ak dee ñu takk loxo yi di ko surveiller vingt sur vingt quatre kooku mënuloo merci merci Bathie. maa la war a gërëm tey bu nekkoon yow aw firnoo bu yàgg. après que tu aies sauvé la mienne. mën ngaa génn Vivi le monde a changé gis nga ba ngay dugg ci kër gi nga bàyyi sa ginnaaw ak léegi du ben. nit yi la bëgg dëgg ak ñi nga xamanté ne ñoo jóge pour gis la may Ndeye Marie ak Ami ak ku si mel ni sa yaay ak décision boo mënti jël jàppal ne kër gi sa kër la mës doon te duma la mës a wan ginnaaw bàcc ragaluma lu àdduna bi changé ci biti mais damay ñi les a pour gis ñi ma changé Je gis nga loolu mënuloo ko xam tànk génn lu mu yàgg-yàgg di le ko def lu pour yow kese gis nga ba contre Abou sa fille, moo la yëkkati woon sa

amna ko xamantene tay ne tey jii ak noo mënti mel ak noo mënti changer ci ay bëtam vivre rek ngay mësa do doon te dina la uuf uuf say nattu. Vivi yow lér na léw sé yalla la bëgg poussat te xam nga bu baax né yow bu la dimbali dimbaliwul du la mësa gañ gaañ te duma ko mësa sétan seetaan dama bëgg rek nga wóolu aljanna تحت أقدام الأمات nangwo mu bay wax ba léegi la nga bëgg wax ci aljana ci wax boobu et bis bu jotee di ko xam buy ma ba amee si mari ak ndey mari bi utal laay photo ak vidéo nga xool Finger dem kanaleo, finger juge, ni fides do nyuleo, masafate, yangi sunyo

Ça vraiment ça, je te jure. J'aurais. Eh ouais. Café Ouais. contact So double gallon lay wajal. Gis nga sama gaay bo sen mbala ni sama café. Xalaat li may def s'il vous plaît. Eh, lan ngay xof? Essay ni assumé mo de. Eh. Boris wona man dañ dem ci yendu bi. Man la nak. Lex nak. Ouais. C'est tàggoogul dégg ma li nga wax mais franchement c'est c'est cool d'avoir toute sa famille comme ça autour de soi <laughs> j'avoue pas tout le monde hein, en tout cas couper ça m'a appété ça moi <laughs> moi si tu n'étais pas mariée j'allais dire que dans un pardon tu es sérieux hey, eh, calme-toi elle s'amuse hein

bien sûr anniversaire kañ mon mariage papa et maman Tu Ahmed avec mère..! Anna Eva loolu validé wu ma Hmm. de. yowee doo bàyyi xale piscine party nous neex maman. en plus ça va être drôle on sera ah. tout ensemble. ouh y maillot de bain. me <laughs> mets deux pièces C'est quand même Malika en plus. a ah. da ah. de pas devant la petite que. Anna Eva

Mmm, ci loo ne kaañu mmm, kaañu moos <laughs> kon Malika ni da ngay tax s'il te plaît mec déconne pas parle doucement s'il te plaît mais boy lan ngay xaar qu'est-ce que tu attends mais bon boy nak je pense que mu xaar ba lepp soti mo gën bul ma dof bi ah, eh ne fais surtout pas ça est-ce que tu as une meilleure idée mais dire la vérité assumer def fa kilif lan la dalay ray elle ne va pas te tuer tu es polygame tu as signé polygamie elle va accepter. Excuse-moi, mais Malika bi nga koy takk na un bu ni que ki nga bëgg un <laughs> mais man ni tu es hmm. elle est capable du pire. Hmm. Surtout qu'elle est enceinte. Ta femme doit vraiment être spéciale. Prouve la régnasse, anyway yi ma xool benn affaire pour eh, pose question est que yow bu suba di nga bëgg sa jabar di la xoole bëtu fenkat góor boo xam ne du assumer ci kanamam non au contraire yow danga war a nekk góor bi nga xam ni dafa dëggu di ko wax dëgg peu importe la situation eh gis na sa kilifteef ci say jëf nga xëy nattee ne perds surtout pas le respect de ta femme. Bon, à savoir que tu n'as rien compris. Oui, mon dégg naa bu baax seen Mais yéen mais si tu ne pare est-ce que tu ngeen Comment xam nga dama non dew ma gis Ne xam pas, instant ne pas. on risque de finir dans la piscine tous les soirs. yow yow kii la dina ma rey. ñu ngi bay bayal loo xamante ni kaay nii. monsieur Badji toj réew. njëkk na fi def ay dégâts ñëpp taxaw ci. ba kër gi lépp réglementé waat réglé waat. dëgg la mais lan def. waaye Majib jógaat na pour tojaat kër gi. waa léegi Majib nan lay tojee kër gi. waa déglu ma Majib nee na day takk ñaareel. takk ñaareel Majib lan doyee ñaareel. yow loolu foo ko dégg est-ce leer na wax sama nopp gémminam na toog réunion ñoom ñett kii naa ko yow yaay dem kii naa ko doo dem waaye man loolu yëpp suma yoon newu ci déjà kii mi ngi ëmb boo xoolee li mu ëmb da ngay xool natam la ko ki ko xam naa ëmb de mhm. waxuma ko xamul man ko xamul ëmb man waxuma yow mais ku xam ëmb te xool ëmb ndaw si mhm. xam ne kii lii mu ëmb mhm. ñaari seex la surtout loolu imagine nga ñëw nit ko tëxit dama lay takal ñaarel xana lool moy jur nga ay sian mois tak ka doon tàkkale hôpital danteg la nekkon to hôpital danteg tëj nañ ko kon wa kër gi ñoko ko fusee ne tàkkale seen bopp problème lay doon ak ak deug deug deug deug dëgg masi mo bon lool muy bërëm problème benen deuxième problème bi xam na mo moy ban moy ban amilea mi la na a amilea la na a ni men majib nekk pédophile xalé bu ndaw bi nga xamanteni fo foo bës ci yaramam meew génn

si sa diggante yaa ak Amila yow damay ñëw di ay affaire yo xam dañ ci war a jël ñun suñu ay précautions. Hmm. parce que problème bi buy am ñun war man dama part personnellement. Oh, je quitte cette maison man je ah, démissionne. waaw boo man boo quittee man quittee man boo man boo quittee man quittee ndax man jëluma sama bi ma jëm mooy sa diggante ak Ami. billaay ba léegi d'ailleurs j'ai tellement hâte de réaction quand elle va découvrir ça. yow bay si caaxaan te mieux mieux définit en ce moment c'est pourquoi à ton avis Sofia..? dañuy si t'es pas content tu peux partir. je te force pas à rester j'ai pas besoin de ton aide. eh doine c'est toujours comme ça des histoires. mais maman c'est elle elle qui se comporte de façon bizarre depuis plusieurs semaines. Et puis Sophia, tu te rends compte que tu n'es même pas capable d'être contente pour moi alors que je suis enceinte. Bah oui, parce que je trouve cela hypocrite pour une femme qui a voulu tuer son mari. Sophia, ça suffit, hein

ñëpp nopi mel ni ñu dëmb feeñu. wala kay mel ni dëmb yu def nit. très visiblement <laughs> yow t'avais pas très envie ñëw fii. toog di déglu Ouzin Keita muy ñëw pendant 4 heures de temps mu gën a may ñëw am bi. kon loo fiy def. sama papa il a insisté pour que je vienne voir l'un de mes meilleurs amis se faire pendre par l'accord que cette amie lui a donné. Mais tu sais, peut-être que c'est pas la faute de Amir. Hein. Si ça se trouve, <laughs> c'est juste que ton ami là, il est suicidaire. Hmm. Et pas que lui d'ailleurs. T'as l'air d'en savoir un rayon sur tous les gens hmm. D'ailleurs, ma meilleure amie. Elle est mariée à mon frère que j'aime beaucoup, mais est beaucoup. Peut-être en tant qu'ami, mais pas en tant que mari.

elle ne dit pas tout à ses amis c'est pas parce qu'elle est hypocrite hein. c'est juste qu'elle est forte et réservée. Euh, ok hum, et la dame oui ça va. ah c'est elle? L'homme, jamais de la vie Qui m'a dafa ma vie? mënuma ko supporter. Hum. Je vais pas te faire l'historique de ma famille, hein? mais

yow la kan yaa ngi wax rek maa ngi wax rek depuis sànq te noo def ba xam ne yow. Aziz faille mais j'essaie de changer ça def ko si tu peux juste m'appeler Ziggy. <laughs> Ziggy kay Marley moo si war a topp. <laughs> Ziggy ñëwal nga dem si station bi nga jënd ay glaçons. s'il te plaît. s'il te plaît lan ay dama lay ñuus de xam nga ni ami sa mag sax du ma wax mu si teg baat nga naa ma s'il te plaît mais wala li nga am gan moo tax nga toog fii di fuuy nii. Aïcha. Hmm? Apparemment, tu as fait connaissance avec mon fils. Ouais. C'est bien. Ah, bon, tu m'accompagnes Où tu pour elle Ah, ça m'a Mais t'inquiète, hein, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais je sais parfois, on ne l'aide pas. na jugal ñu dem ci yoon bi soo buggee nga baal mu ak balaa nga koy def déglu d'abord ce que j'ai à dire sur les gens de

tase dina ànd ak yow suba aussi Seck dafa bëgg nga teel ko def mais soo paree demee dina la yow aussi Maajo dina fa nekk pour ta sécurité ok. ci sama yaay Fall. di du dara ko soow bi desoon foofu arrêté fëgg bi jox nga ko soow bi waaw calme-toi lan Vivi Vivi lan la Vivi Vivi ah ci yow comme ko xalaatee. pourtant mosuma ko xalaat nag li ma bañ kay mooy nga nga fi six mois ci àll bi six mois yi nga mais normal ci sa xel

lii dina metti de. waaw loolu moo tax ñu war ko mën jàppale. mais bàcc man lii mënu ma gérer dafa am looy fàtte si Virginie ñetti xarit la am te koo ko ci wax mu ni pareegul pour gis ko il faut mu am ku mu miin bëgg ko pour fit bi mën ñëwaat. xam ko xalaat.

les autres femmes s'en sont beaucoup prises à elle, C'était... mon compte mariage hum, Je te dis. Désolée. Non, ne vous inquiétez pas. Bon. ma ah, ah, tu es sérieuse ah, j'en ai envie wesh 눈 <laughs> marie T'inquiète pas, on aura tout le temps pour faire des bébés. Mais ça, faudrait qu'on se marie d'abord. Mais Marie-Ji Magie, à chaque fois, l'eau ne me Yo, ami, je te dis que Marie-Ji, je gère ça. Malika Dara, n'est-ce pas C'est ça <laughs> Écoute, je suis toujours en vie, ça veut dire que j'ai encore rien dit à Malika. <laughs> non mais regarde Majib, sérieusement. Au moins intention de repousser quoi que ce soit. Ah pareil. D'accord. Écoute, je t'ai dit que je vais gérer ça. D'ailleurs, ce soir même, je vais lui en parler. Ce soir. Ok. Je vais

mais demain, bëgg am et elle aussi elle-même. xam naa bébé xam ko Malika Je na ko. mo ko dara mais c'est aujourd'hui que j'ai prévu de tout lui dire. bu ko savoir. comment ça il doit savoir maman. Magie jigéen dafa bari pexe. D'ailleurs Malika xam nga ne du n'importe qui. je sais que je vais lui faire du mal. man Malika de tiit. tu as peur pour Ami. déedéet Ami taxumaa De dama titre pour yow. maman écoute je pense pas que Malika m'en na fait quoi que ce soit. def ne peux ba parler. ضيف نگاه بره يعني الله ماجد li ma la bëgg a wax waroon naa la ko wax bu yàgg à propos de ton accident oto bi la fiir Malika moo ko doon dawal dëgg la nag am naa ci part de responsabilité waaye xalaatuma woon ne dina àgg foofu Abdou Majid xam naa ne pour nga baal ma du yomb waaye boo bëggee ami soo ko bëggee takk bëgg ko protéger dama la ñaan ngir yàlla bul wax Malika dara toi que passé journée ça a été. ça va je hmm. j'espère que c'est rien de te préoccupant. si un peu. d'accord dans ce cas faut que nous si. ouais exactement on va faire ça. justement cher, il faudrait vraiment qu'on parle de. Euh, écoute moi aussi j'ai quelque chose de très important à te dire. futur papa. Je sais que les beaucoup aussi sont une habitude fille Sénégal, mais à une occasion spéciale, <laughs> un cadeau spécial. Ouais. du coup, demain, organiser les pour voir le court ou le jigen la ñu yalla may. Inshallah. Inshallah. Bon. Si c'est rose, jigen le. Si c'est bleu, gor <laughs> Merci. Je viens.

mais il doit savoir putain t'as, tëf booy dama tëfalan boy, boy boy, loolu dernière option euh, je sais que doit savoir mais pas comme ça pas ni, en plus là tu vois qu'elle n'est pas du tout stable en plus pour les yenn yenn ci am say essaye seex boy, putain boy, fils da nga am ay jumeaux booy fils da jumeaux frère des jumeaux c'est dingue non booy loolu dengul <laughs> il n'a naka denkay moi. nga pas a repousser ce mariage bi yaa ami je, ji loolu mon n'a dingue, oui c'est plus compliqué que tu ne le penses c'est vraiment plus compliqué que ça

kii di footballeur lay nekk. waaw bu nekkee jigéen nag. parce que footballeur jigéen amul. <laughs> génn ci nga ne. yow léegi suñ doom nga bëgg a def footballeuse la. Eh, football day fay arrête. ah <laughs> bébé. Mhm. léegi ban tur nga koy jox. man tur lañ koy jox nga bëgg a wax. gis nga doom ji jur ma ko man doom man a c'est vrai que c'est une culture day que que ku dit gi di tuddee doom mais man ma ma Lamine Cissé Kormaye dama bëgg man ak yow ñu tànn suñu turu doom xam naa tamit dañu xuloo ci affaire ok. d'accord. xaw na laa bëgg léegi. Hmm. su fekkente ne góor la ñu tuddee ko sa papa su fekkente ne jigéen la ñu quoi ça mais comme ça on est tous les deux gagnants. C'est une très bonne idée. C'est une superbe idée. Sérieux Bien <laughs> sûr, là, dis-la là. Dis-la. Allez, tiens, Aïcha, d'accord. Voilà, dis. ce Parce que toi, tu pensais que moi j'allais partir sans toi. Ah, mais tu rêves, ma chérie. man ak yow sa tànk ça tànk nañu yegg. Oui mais il oui maa mal au baal s'il te plaît. à chaque fois tu m'accompagnes et j'ai pas envie que tu aies des problèmes au boulot s'il te plaît. Je j'aurai pas de problème t'inquiète surtout pas gis nga boss il va comprendre premier doom il va sax ci xol d'ailleurs je j'ai fait une marche. marche la nuit Ah, une bonne marche. Hmm. pour que nous les hommes nous puissions avoir un côté de paternité. très bien comme ça nous comme ça donc, il le temps que moi je pourrais dormir la nuit. Ah, tu ci ko ñu dem tu wax yaa ngi lay eh eh foo jëm On fàtte pas prière matinale Badji je ne pense pas ma mun ko def dama leen nar a décevoir rek. pour moi, nag tant que yaa ngi def fi doo mos a pare de toute façon li nekk sa xel nañ ci war a wax ay spécialiste. da ngeen dia nar a cette fois mais analyse mais de pas par où commencer, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je, suis content de te voir. Je suis désolée. Non, ne le sois pas. Ne le sois pas, c'est moi qui suis désolé. J'aurais jamais dû te mentir. J'aurais jamais dû te laisser partir. Écoute, je veux rien savoir de ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Sauf si tu veux en parler. Moi, tout ce qui m'importe, c'est ton bien. J'ai vraiment pas l'intention de te perdre une troisième fois. Je tiens trop à toi, vivre Hey, je t'aime. xanaa neexu la. Bala boobu lañ dem. je vais essayer de vous faire parvenir les résultats très rapidement. Ce n'est même pas la peine de vous déplacer. Hein. Inch'Allah, je vais les faire dans les locaux. Qu'est-ce qui se passe Ça va, Vivi toilettes. Vous allez complètement à gauche, au fond. Voilà, on utilisé sur mon bureau. Je t'accompagne. Je viens de voir la mine. Je pense que Maya est là. Attends.

Une na et en plus ça me fera plaisir aussi Vous aussi, vous attendez un petit ange, c'est ça Mandamit. ça fera bientôt cinq mois. on ramène mais des fois en parler à quelqu'un qui a vécu la même chose c'est tellement plus rassurant compréhensif, non Et là elle qu'est-ce que tu fais ici Lamine la tasante légui ni <laughs> momo wax ni ma yayi fi. Euh, c'est ma cousine. Man dama ko fi indi. Dafa jugé village semaine bi ni, dafa ëmb. C'est ah, cousine mo nek ci Pourtant ma ngi wax ak mom depuis 5 mais xam mon ni ñoo bok mais c'est tant mieux, ça fera l'occasion ñu xamante. Non, je veux dire euh, dafa muuma ba pare teg si bi

fi me keroog madame dafa ne dafa am euh, ay métitu bir ak ay n'est-ce pas du coup j'ai demandé à faire des analyses mais gis nañ da nga am infection. d'accord. mais autre chose a attiré mon attention sur les résultats donc j'ai demandé à faire un dépistage d'anomalies. anomalie boko sont moy lo xamné xam sont des résultat yi na résultat biologique ak échographie duma leen ko mais il faut que vous soyez fort Lamine nous avons décelé une anomalie fœtale et elle est d'ordre morphologique soyez plus précis C'est un homme dafa am malformation cardiaque ni xol bi di formé ci biiru yaaji manam melul comme ni mu mel mais je comprends pas en fait vous avez dit que tout allait bien. Alors, d'où vient cette anomalie Vous avez des animaux chez vous Non, on n'a pas d'animaux. sais nga madame dafa am infection bu rare infection boobu ñu ko woowee toxoplasmose li causé des parasites qui sont dans animal docteur excusez-moi mais c'est bizarre j'ai été aucunement en contact avec un animal ces derniers mois donc je ne comprends pas c'est bizarre. Docteur, est-ce qu'il y a un risque pour ma femme Pour le bébé surtout, docteur. loolu duñ ci mën tontu léegi da ngeen un diagnostic ci est mën une prise en charge précoce voilà une EMG. une IMG e c'est-à-dire docteur. une interruption médicale de grossesse Madame ñu arrêté un bébé. Non, Lamine, l'ordu ce nango. Ken du fi c'est sama bébé..? je ne suis pas d'accord. non, chérie, tu as mal compris. Il ne s'agit pas de yak un Tout ce que le médecin a dit, c'est que ça reste une possibilité. Demande, je m'inquiète d'abord pour ta santé. C'est de la santé du bébé qui est plus importante, pas de la mienne. Ça bosse, moi, je On se calme. C'est normal, on me fait mettre. Mais il faut que le médecin. Si vous voulez faire des wolof, amna. Ah, oumou. sa waa ji moo gën a mettile te mu ngi nii góor yàlla laa la tegal fi sonn ngeen c'est bon pour tey jug leen jug leen tëddi aca aca aca jug leen jug leen jug leen tëddi jug leen tëddi aca aca aca dem leen dem leen dem leen aca yóbbul sa àllal yóbbul sa àllal xam naa li nekk sa xel boobu nga dindi ko Sall moo ne sa xel Saali lan moo ne sama xel te nga xam ko. loolu du dara sunguf kese la gennu jàll na maa ko indi. Saali lépp man la Saali am naa ci pare sab Saali ci xale bi tey lii muy dund nii tey man maa ko teg nga ne aw ma ci benn pare sab Saali te ma ne sama bopp bi mënuma koo dindi maa yàq àddina xale bi maa yàq sama sët te teguma ko fenn. la nga indi ndax loolu laa ko jox mu naan la ma ko koy jox ko mu naan da nga xam lan la nga ni ma wax bu ma wax man la maa yàq àddina xale bi maa yàq àddina xale bi Salim man la man la. oui oui Votre série revient après la pub. Pour des moments de douceur, de plaisir et de convivialité, emportez-le avec vous, des Fléchats, le meilleur du thé seen gamme magique sourire mën ngeen ko fekk ci boutique cosmétique pharmacie supermarché ou wala marché Sénégal yépp VDNTech une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans l'affichage publicitaire VDNTech nous ouvrons activement pour vous avec vous Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond-point EMG pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.heritagecouture.net. Je trouve que c'est pas mal Sally. Je suis sûr que t'aimerais bien habiter là-bas. Tu sais quoi Je nous construirai une magnifique maison, une magnifique villa au bord de la mer. Notre maison Ouais, la nôtre. Toi, moi et notre enfant. Écoute, je veux vraiment pas paraître trop rapide avec toi, tu sais. Je sais, Lucas. C'est juste que j'ai trop changé. Je ne suis plus la Virginie que j'étais avant. Et je ne suis pas sûre que tu vas aimer cette nouvelle version de moi. Écoute Virginie, j'aimais, j'aime, j'aimerais toujours chaque facette de ta personne. T'es un amour. Écoute, ça te dirait de voyager Voyager Genre hors de Dakar non, carrément hors du pays. Je pense que ça te ferait du bien de t'éloigner de tout ce qui pourrait te rappeler ton passé. <coughs> ah, j'ai comme l'impression qu'il se fait un peu tard. Et je vois que ton ange gardien veille sur toi. Écoute, on a le temps de reparler de tout ça, d'accord Je voudrais surtout pas abuser de la patience de Batch. waa bàcc yaa dàq Lucas nii moo dafa fekk ne bii dafa war a noppal waaw mu animoo sax mbaa mu ngi nelaw mu ngi nelaw ndeysaan xam naa garab gi ak biir bi ñoo ko diisal c'est vrai que nag guddi na mais est loolu moo tax nga dàq Lucas waaw loolu ci la bokk nag ak lan gis nga yàggooy man dafa am lu ñu ma yare gis nga diggante góor ak jigéen bu ñuy jege yantoo yenn jege yu bari mën na jur leneen mais Lucas dafa bëgg Vivi mais Vivi divorcéegul lan dafa neexul a gëm nag mais Abou kewee deewul et aussi le divorce n'est pas encore prononcé mais jarul ñu di wax dara ñeen bàyyi xel man incha bu soobee yàlla dinaa wax ak Lucas léegi sama yaay nag sa yaay aussi fàtte mais ko may tuuti tuuti lan temps mais bàcc xanaa gisoo biir Vivi bi lii mënul xaar Vivi instant bi dafa soxla ku ko jàppale gunge ko dimbali ko te sama yaay yaa gën a xam ne fi mu nekk nii du toogaat temps te du gis doomam lii dafa metti comprendre naa Vivi mais fi mu nekk nii man xam naa ne sama yaay du seetaan mukk Vivi muy dund moom li mu dundoon il faut nga wax ak moom. mais xanaa waxaat ak moom.

ami mi ngi fi. si kaw léegi ma wàcc. Ana Eva soo gaawoo dama fi bàyyi de. Papa. Salut chérie. Papa, ce que papa donne de Oui, je sais. Mais euh, je me suis dit qu'il fallait que je passe une heure de mon balaa balaa ngeen di بيبي viens, الدنيا بخير tout de suite. pas.. te OK. Écoute, c'est à propos du mariage. Non, ma pas. Ami, Ami, elle est enceinte, Ami.

Tu sais que tu peux me faire confiance. Vas-y, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe Accident, mais moi, au hôpital. C'est Malika qui était derrière. il ne reste plus qu'à aller voir la police. Eh, yo, yo, hey, hey. Je sais très bien qu'on peut pas faire ça. Mais... Vas-y, dis-moi pourquoi. Abdouma, je vois que je ne peux pas police. Je ne peux pas faire police. Je ne peux pas faire police. Je ne peux ami. Je ne peux pas faire lan nga yaakaar amul benn bés bu yàlla sàkk Majib du ma toog di fàttaliku li ma commencé woon ressentir en tant que mère mën nga comprendre le. Ah, ami moi aussi j'aurais voulu garder ce gosse te incha allah nañ ko dundaat.

Tu m'as bouger ben simili bu ami non non non Abdou Majid Abdou Majid tu m'écoutes lépp mënuloo ko am yow yaa choisir takk Malika mu hôpital rey nous doom malgré tout ça nga yo yow mënuloo ko d'accord y a pas de souci mais gis nga lenn am di nga sàmm sa kàddu sàmmaale sama bos dans quelques jours de fallu sa bopp Ami..! Malika, ça va Très bien. Tu sais, quand Majim m'a dit pour l'anniversaire de Anaïva, n'ai même pas hésité. Je me suis dit, mais bien sûr, Anaïva, c'est mon donne après tout. Merci d'avoir accepté. Bravo pour Seri. Aïe, Ser. Aïe, félicitations. Machallah. Yalla nama yalla musul ci lamine. Tu sais, à ce qu'il paraît, c'est dafay attirer lamine ak beutou dem. Pour finir avec rek fekk pardon l'ordinateur dinañ si ñëwaat gis nga Malika su ma nangoo ñëw fii nii c'est pour l'anniversaire de ma fille ak li ma rus tonton Abed Kébé mais pour yow rek ta permission je t'assure que tu peux l'enfoncer dans ton... téléphone eh, defal euh, nii Ami su ma juumul va bëggul blëde ah ouais c'est vrai en fait ma fille a repris ses bonnes habitudes depuis qu'elle est retournée avec sa vraie mère donc t'inquiète pas ñun indi nañ lépp on va tout gérer on reprend le relais Selbé ah. dindil ma lii nii yëpp na day na day kii def leen naan wuy ma ah dégg bu defee nga doo réglé nga mel ni sa turandoo nii. fu wax ni bàcc nii la terrible woon ba mu nekk xale. il était pire à Touba. non <laughs> mun ma gëm loolu Issa. ndeysaan ak bëgg xale. bu ko am papa de doo wax dara. papa. xanaa balaa nga naan papa mu am gel wala soxna kii. non bu mu wax ni bàcc musul am gel. dafa xam luy loolu fas la xam kafe tuubaa bu muy jaay extérieur di ko indi sama maama ko yar ndeysaan nekk na Touba ak Tiwaawan ba bu muy am 19 ans mosul ñëw Dakar nan ma ko fi indi ndeysaan maa ngi fàttaliku sam papa moo feebar. mu ñëw Dakar di ko jàppale ci liggéey bi finalement mu gën koo bëgg liggéey bi maa ngi fàttaliku ndeysaan sam muy génn àddina ñu julli tisbaar ba pare mu gërëm ko lu yàgg après ci la noppaloo ci la ko gëj a dégg seen yaay nag Balmare, da ma No du dara Vivi sama yaay bima ma juddoo la génn adina. sam papa musul am benen soxna man ak bacci rek ñoo fi nekk moo euh, Vivi gis nga bacci amna lu nek. sama alalu papa bi yeb moko doon te aussi ñepp ko respecté mais boko si benn simili nga gisaat sa yaay kott ko loolu jaral na ko tayle kanam pour dundaat loolu moo tax bu gisee ku am yaayam bañ see profito xolam dafay jeex elles se sont quand même. <laughs> nu muy seuls. D'accord, quand nitam ami di ko T'es comme ensemble. ah parce que vous merci c'est normal elle est enceinte. Qui de le le charge dara de le <laughs> suis Ndiémé soo relax sa jabar yi xanaa dofuñu ba ñëw ci anniversaire doom nekk di xeex. yàlla tu ne lui as encore rien dit. non pas encore je préfère attendre. Cela est enceinte. les choses sont déjà compliquées du coup je préfère attendre. à quel moment va le voir

sa bët bi tegewoo ko ci ami la yaamee tok sang ba tay yow ya rek lay ya, xol da nga wara nek jigen xamul luy nek jigen nga accepter sa morom yeneen moromu jigen ni man amna droit xol ami la amna ci droit xamul tax amna ci droit parce que j'ai signé la polygamie ah bon man duma ben jabar yalla tere ndar-ndar laman. am te ami ya bi dama ko fas sauver sauver xolam ya, parce que buma ko baye ak majib dana japp xolam tiaxat caxate ka te balaa loolu di am yow ami la lay yaay jaam yaay paax yaay yow yaay baadoo la paax ndox lu ma la bëgg a wax xeeb ko lu nekk dund naa ko yow ci naqar ba tey ñëw ndakaaru njaay gii mbindaanu moom mbindaanu fii musuma enkee sa xaalis yaa koy téye nii yaa koy téye si sa loxo tey nga fayee ma lii yow bi ma lay jëlee kaa ñetti fan def naa ko seen village léegi nag nam ma ngeen ma doon jox léegi nag bu amul yàpp amul jën parce que moo fa am

yow la c'est sûr que ça va. Bibas eh, vas-y <laughs> sel bi lan la hmm? lu xew xanaa ami layaa sàcc ko tu jëkkër sàcc jëkkër hmm. sel xam nga ni sa jëkkër bi kenn sàcc ko waay nga yaa ko bëgg nga ni yaa ma gën a dégg tey ko moo gën mu nekk fa di def yow fu ñàkk fayda yi devant tout le monde c'est ridicule

lii dama koy ree ba pare yëgoon ne Majib tey teg Ami laya wala yow yóbboo loolu da koy takk ci kàttanu yàlla c'est rigolo c'est rigolo kay je vais sourire Malika, Je Malika Malika. Écoute, je suis désolé Malika, je voulais te le dire. Ah oui. tu penses que comme je le dire, c'est ce que je suis en train de me faire. Je suis désolé Malika. maa Ma chérie, pourquoi? Magie, moi je t'aime. Et pour de vrai. Amoulou me défoule pour te combler. Je sais. J'essaie d'être une bonne femme et, d'être une bonne mère, mais Lolo Yabdoyola. Magie, putain. Magie, je suis enceinte, putain, je suis enceinte de toi. je l'aime, Malika. Je l'aime. Écoute, je veux surtout pas que tu penses que le problème c'est toi. Tu ne l'as jamais été, Malika. Le problème, c'est moi. Et je suis désolé pour ça. je suis désolé aussi de t'affliger tout ça actuellement. Tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas du tout. Tu as toujours été là pour moi, Malika. Et crois-le, je veux pas que tu sortes de ma vie, Malika. Pardonne-moi, Pardonne-moi..! Tu m'aimes Évidemment que non. Tu n'as absolument aucun regret. Donc ravale-moi toutes tes conneries, espèce de sale menteur. Dégage Tu sais quoi, Magie je t'emmerde Je vous emmerde tous ba ma Sofia woowee mu ne ma yaa ngi fi ak say bagage automatiquement dama woo Majib mu wax ma lii xew danga ñëw ak say bagage danga fas yéene toog maman j'ai vraiment pas envie de revoir la tête de ce menteur waaw loolu mën na nekk waaye li ma lay laaj mooy danga ñibbisi yaay man franchement je vais pas retourner Malika je te force en rien du tout mais nga xam li nga bëgg bu baax a baax a baax a baax parce que instant yi bépp tànk boo teg am na feneen fu mu la jëmee te yoon bi nga jël su ma sañoon doo ko jël waaye oh, yaay man léegi lan la mën a def bul may fu mu la yebee yeb na la benn yoon waaye bu mu ñaar Yo, je sais que tu vas partir mais à quoi tu vas ressembler une fois là-bas tu gis nga c'est pas se faire respecter Majib là, s'il y a à sortir c'est lui qui doit sortir pas toi tu es chez toi Moi xam mu fanaan ci salle bi walla mu dem fanaan ci kër ay ton territoire tu le marques man mi sa fi ma tegoon ba léegi jóguma fa nga fii ji mu jeex te supporte na si Casamance yoo bi le coup est déjà parti muy nga toog fii walla nga dem sa kër sache que ta famille toujours avec toi Tu instant yi fi tu es à terme Tu nga bàyyi nga wusin nga après tu vas prendre une décision mais Majib va venir te chercher ça c'est sûr il viendra te chercher mi fa yaay bëgg rek lu gën ci yow nen bëgg ma sëy di sëy di muñ ñu door nga ni muñ ñu saaga nga ni muñ muñ ba dee kam ni ko yaay dee naa nen sa yaay dafa juum sa yaay daa juum waaye benn yaay du jur doomam di ko sànni te wallaay su ma ni sa bakken xajna ci kon jour bi nga ñëwee sama kër do delu waaye nit ne may ma rek ma ñëwaat li dakk suñu digënté yaay dama la soxla yaay maa ngi nii maa ngi

alaikum. Waaleykum salam Ajib. Je ne sais pas si c'est la peine que tu t'assais parce que tout le monde est lu yàgg. tu droit Malika mais faut nga ramène à affaire Pas importe le temps que ça va prendre dinaa fi jaabante chaque jour pendant nga dellu suñ même bu tu ne sa waa dañ may je veux que tu rentres Malika c'est tout ce que je veux ni je sais que les même sont mon ko bala. baala hein. du légui. mais faut que tu comprennes que bi ma lay tàkk mon chalani, ni bés dina man Crois-le ou pas, tu es une personne très importante pour moi, Malika.

Tu m'as fait croire que tu étais différent des autres. Que tu me comprendrais. Que jamais tu me prendrais pour... Une folle. Mais c'est le cas, chérie. Non Parce que c'est bien toi l'homme qui est en train de me détruire et de me nez. fumoto gogo tango Ami? As-tu une seule fois pensé à ce que je ressentirais chérie As-tu seulement pensé à ce que je traversais en ce moment Non Bien sûr que non. Monsieur est musulman, monsieur est polygame, monsieur est un homme, donc monsieur peut. j'aurais au moins pu avoir un minimum de compassion et attendre que chaque couche porte elle. Mais même ça, c'est trop te demander. Parce que monsieur n'a aucune loyauté. Eh, je t'ai toujours été loyal, Mali. Aïfen le magique. Brun Aïfen, le la pas pour des différences chaque jour, sachant que y a mon faire raïba par Malika. Oui, je suis au courant, Malika. Ramna Leb. Ramna Leb, Malika. Et malgré ça, je te veux dans ma vie. c'est tant bien que mal de te comprendre, Malika. Mais c'est difficile. Par hein. fucking trying anyway. J'ai un passé difficile. Hein. Très difficile. Et malgré mes erreurs, on m'a donné une seconde chance, une troisième, même une quatrième chance. On mérite tous de se relever un jour. Tu te maries avec elle pour me punir Non. La punition serait la prison, Malika. C'est ça la vérité. J'épouse Ami parce que je l'aime. Et je vous aime aussi, toi et nos futurs enfants. Ça aussi, c'est la vérité. Je veux que tu reviennes, Malika. Je sais que ça va prendre du temps mais comme je te dis naa fi jaabante chaque jour pour nga ñib si suñu kër sa kër Thank you. tous les résultats. Et après diagnostic, autant vous dire tout de suite, ils ne sont pas très optimistes. Nous ne pouvons pas faire de prise en charge précoce. L'accouchement sera difficile. Bon, difficile à dire, mais il pourrait bien l'être. Que nous conseillez-vous de faire Dites-nous tout, docteur, s'il vous plaît. Bon, écoutez, Nombre de patients de ce groupe de maladies meurent très jeunes. 25% à bas âge et 60% dès les deux premières années de la vie. Mais grâce au progrès en chirurgie cardiaque pédiatrique, 90% de ces patients atteignent l'âge adulte. Docteur, s'il y a 1% de chance pour sauver la vie de notre bébé, nous allons la saisir. Docteur, on va garder le bébé. D'accord. Inch'Allah. Maman, on a déjà eu cette discussion et je vais pas revenir dessus. Tu baisses d'un ton quand tu me parles, on est bien d'accord Cette jeune femme qui est là a besoin d'aide. Et je refuse catégoriquement que tu foutes ta vie en l'air pour elle. On est bien d'accord Cette jeune femme dont tu parles, elle s'appelle Virginie. Et je l'aime. Je sais. Écoute, Lucas, je sais. Mais regarde, elle est malade. Elle est traumatisée. Mais ouvre les yeux, mon fils. Elle n'arrive même plus à s'occuper de sa fille. Trouves-tu ça normal et qui sait, demain... Demain, ça pourrait être pire, et pour toi, et pour le bébé. Maman, on peut parler de ça un autre jour, ou même ailleurs, mais, mais pas ici, quoi. T'es vraiment têtu comme une mule, quoi. Bonsoir. Ça va Tu t'es bien reposé Ça va. De toute façon, moi, je m'en vais. aurais dû lui proposer de rester au moins jusqu'à ce qu'elle la plus se calme. Non. Je pense qu'une bonne douche va lui faire du bien. Lucas, c'est ta mère. Je sais. Et elle aurait mieux fait de rester en France. fallait encore qu'elle vienne nous parler de son business familial. Je suis désolée. Non, t'as pas à l'être. Si, Lucas. Je suis un fardeau pour toi et tu en as fait tellement autant alors que... écoute-moi. Tu peux jamais être un fardeau pour moi. <laughs> Tu rigoles ou quoi Et toi et Diara, vous êtes une grâce pour moi. Hey, c'est rien. C'est juste elle. Je m'en occupe, ok

Monsieur le directeur de je vous le dis tout de suite il faut surtout pas que nous nous jot ci dernier rapport psychiatrique au Virginie il faut nous prouver qu'elle est apte à s'occuper de son enfant. Voici le dernier rapport d'évaluation psychologique de leur cliente. Non mais il n'a pas le droit d'avoir ce dossier, maître. Votre honneur, ce document devait être protégé par le secret médical. Votre honneur, ce dossier établit clairement de la fragilité mentale et physique de leur cliente ainsi que de ses rapports compliqués avec sa famille, qui se trouve être une famille divisée et loin du confort adéquat à l'éducation d'un enfant. Si Maître les continue, nous allons le poursuivre, lui et le médecin de Virginie, pour violation du secret médical. Votre honneur, je n'ai pas besoin de ce dossier pour mentionner que le cliente vit actuellement en concubinage. Est-ce une façon de préparer l'avenir d'un enfant au Sénégal Ça suffit, Maître Lee je partage l'avis de Maître Ndoye. Ce document sera irrecevable. Le temps de voir comment vous l'êtes procuré. Avec un mandat du procureur, après avoir révélé que Virginie a été reçue à l'hôpital le mois dernier pour tentative de suicide. Votre honneur, il est de votre responsabilité de veiller à ce que cet enfant ait les meilleures chances de grandir dans un environnement stable elle le mérite. Surtout après tout ce qu'elle a traversé. Et ce, avant même sa naissance. Et les seules personnes qui lui restent actuellement sont celles de la famille Québec. La famille Québec Les faites-nous rire, oui. Une famille qui a essayé de l'assassiner, oui. Calmez-vous, Madame Anan. Madame Anan, calmez-vous. Sinon, je serai obligé de vous sortir de ce bureau. Vous avez compris kii amul benn ngor. jeune fille soo bëggee def carrière da ngay ànd ak dal te nga takk si fit fi ñu ko seexal nii roi des arènes la te moo ëpp pexe bukki. dinañ ko wan ne ñoo ko gën a rabe. Bonjour Virginie, mon fils est ici euh, Non, mais il ne va pas tarder à rentrer. Parfait, parce que je voulais te parler. Euh, ok. Tu vas bien Allez-y, Ce ne sera pas nécessaire. De toute façon, euh, ce que j'ai à te dire est très bref. Virginie, j'ai besoin de mon fils. Et moi J'ai besoin que vous arrêtiez de vous en prendre à ma fille. Je voulais vous dire que ma mère est ici. J'ai remarqué. Si vous avez des choses à dire à votre fils, dites-le lui directement. Néné Baï, je sais qu'on peut parfaitement discuter entre parents protectrices ça me va après vous bien je n'ai rien contre toi ni contre ta maman d'ailleurs mais Virginie, tu as besoin d'aide. Et tant que tu ne seras pas prise en charge, mon fils continuera à détruire tout ce qu'il a construit jusqu'ici. Écoutez, votre fils est assez grand, assez mature pour savoir ce qu'il fait. Vous pensez Oui. Il est surtout très amoureux de votre fille et qu'il est prêt à tout risquer pour votre fille. T'a-t-il déjà dit qu'il vendait son restaurant qui se trouve à Sali je vois que non. Et selon toi, pourquoi Depuis qu'il a aménagé ici à Dakar, il ne s'en occupe plus. Il est bien trop fier pour t'en parler, mais pas moi. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame Madame, contrairement à ce que vous pensez, ça m'est égal qu'il soit avec votre fille. Du moment qu'ils sont heureux, ça me va. Mais j'ai besoin de mon fils. J'ai besoin de Lucas, mais chez lui, en France. Mais refuse d'entendre raison. Et vous savez, Lucas est mon unique enfant. Et là où je vous parle, son père est mourant. Certes, une vieille querelle les a séparés, mais il a besoin de revoir son fils et vivre avec lui ces derniers moments. Madame, nous compétissons à votre histoire. Mais ma fille... tiens Tiens, ko tontu mon Bah. comment je peux vous aider. Waouh, je suis hyper fatigué. J'ai même cru qu'il allait pleuvoir, mais Asaman Sidei Souprek. Elle est où, Dira Elle dort. T'as pris tes médicaments Il faut que t'ailles en France. Ma mère t'a parlé. Elle a été très gentille. Écoute, pourquoi tu ne m'as pas parlé du restaurant Parce que c'est pas important pour moi, Vivi. Le plus important pour moi, c'est toi et Dira. Ça l'est pour moi, Lucas. Tu t'es battu pendant longtemps pour en arriver là. Je ne veux pas être celle qui va te reposer dix pas en arrière. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Salut. Je veux aller en France. J'ai fait transférer ton dossier à l'établissement spécialisé d'un ami qui se trouve en France. Regarde, et ils ont accepté de t'accueillir. Vous voulez faire interner ma fille Non, madame, ce sera juste pour un moment. Et puis, elle sera en alternance dans notre domicile à Monaco, où il y aura un personnel qui lui sera entièrement dédié. Et bien sûr, bébé Jara sera la bienvenue. Et Lucas sera chez lui, auprès de son père. Et emmène avec lui toute sa famille. Je refuse d'y aller. Je ne vais pas retourner là-bas pour leur business familial. Et encore moins pour lui. Ça, c'est hors de question. Mais fais-le pour moi. Fais-le pour moi, Lucas. J'ai du mal à l'avouer, mais ta mère a raison. J'ai besoin d'aide. J'en ai marre de ces langues d'un cauchemar. J'en ai marre de penser constamment à vous. Je vais prendre Yara dans mes bras sans pour autant penser qu'il est le fruit de mon union avec un monstre. J'y Ok, ok, ok. C'est bon, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi. Je suis là, ok D'accord Calme-toi. Hmm? On fera exactement comme tu veux. Ok Je suis là, moi. T'es pas toute seule. Je t'aime, Virginie. Je serai toujours là pour toi. le procès pour Saga sera bientôt prononcé mais maître Ley si ñu ci terrain espérer quoi que ce soit. C'est tax ñu la on aura besoin de tes contacts pour l'union ñu alors votre honneur j'espère que la défense ne m'a pas déplacé pour négocier parce que nous ne comptons pas changer la moindre petite virgule de notre demande. ah oui euh, maître nous sommes deux à ne pas vouloir perdre notre temps. Ah, Maître Ne vous inquiétez pas, votre honneur. Maître Lay, nous vous avons fait venir pour vous annoncer que votre demande est nulle. Elle a toujours été. C'est ridicule. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous avez raison, Maître Lay. Virginie et sa famille ne sont pas aptes à s'occuper de la petite Jara. Ni elle, ni celle de Abou, qui va d'ailleurs faire face à une plainte de ma cliente pour complicité. La plainte est déjà sur le bureau du procureur. Vous allez annuler la seule famille qui lui reste, juste pour juste gagner un procès Non. Juste permettre à la petite Diara de construire un avenir meilleur, c'est tout. Et qui s'occupera de la petite Diara Son père adoptif est actuel époux de Virginie. Virginie n'est plus mariée. Votre honneur. Si Maître Lay avait fait convenablement son travail, il saurait que ma cliente est mariée bien avant que toute cette procédure ne soit déclenchée. Mais ce certificat date il y a trois mois. Ce sont des foutaises. Non, maître. Les foutaises seraient de ne pas confier cet enfant à l'homme qui l'a adopté depuis le début. Avant même qu'elle ne voie le jour, votre honneur. Un homme qui a témoigné un amour inconditionnel à Virginie qui lui doit probablement la vie. Un homme responsable, respecté et assez stable pour offrir un environnement favorable à la petite Jara pour une bonne éducation. Sans oublier votre honneur qu'elle porte le nom de sa mère, Jara. Et plus qu'assez aisé pour offrir le meilleur à cet enfant. En plus, je connais bien la famille. Nul doute que beaucoup de grandes chances lui seront offertes. Je dois l'avouer, Maître Touré, c'est du génie. J'espère pour vous que je ne découvrirai rien de suspect à ce certificat de mariage. Parce qu'au cas contraire, je vais vous détruire, vous, et Batima femme..! Bon courage. Mbàcc wàllu nga ma nga fat ma sa kër nga faj ma dundal ma ba pare di ma giifal manquéwu ma woon dara Bàcc loolu yëpp mënoon na la ci woon bañ a fekk ndax xamuloo ma xamuloo fi ma jóge xamuloo fi ma bokk mais Bàcc xooloo loolu yëpp. tahu, Mak. Kau meninggal tahu, Isa. Macam mana awak masa fai? Ingat mana ni semua tu agak fidi waktu ini. Ia ya, wagi Allah tak. Sama dombi. Ya, bagi sejant. Ia wagi Allah tak. Mau tak pun remercier lah. aku begitu dijarah sayang. Tâmălă wolu baci. Când jurnal sama Genwal, jurnal sama khol. Din kana jara. 所以，哎。 vous inquiétez pas. On va bien s'occuper d'elle. Allez, au revoir. Au revoir. ko de damay jooy alors que bëgguma jooy ta santé et ton bien-être m'auraient waral je veux juste t'encourager Tu ça sérieux. Ou demee neneen n'est-ce pas mais bon on se dit juste que c'est pour un moment d'accord Ça là, la mieux. de bëggee de du faju quand tu reviens, tu reviens rapidement. C'est forcé que tu partes. C'est pas moi, tu veux rester ici. Tu sais très bien qu'on est toutes là pour toi. Et Marie, s'il te plaît, demande à Nancy, papa. Elle est venue, elle est venue difficile. Je veux pas qu'on se sépare. Je ne m'imagine même pas. Surtout depuis tout ce qui est arrivé après Anna. De Ben, Je veux pas. Monsieur Anna. Écoute, Virginie, d'après d'un pour de bi rek. mën nañ ko jàppee Les benn pause de rek. xool venez kay Virginie.

Nech munakari tu masatai ya don jant binyu dan ya don yau kinyu dan dole dinganyu etlol nach nyu patem bunyu bach ni don mutay dingay khatem ha Confidence dunyola yaw Masafate Yangi sunyo hen Yangi sunyo hol Yangi sunyo nyan Finger dem kanal yaw Finger jugay Nifidence